Fidèles auditeurs et auditrices des 52 radios partenaires du studio Kalangu émettant dans toutes les huit régions du Niger, bonsoir. Il est 18h15 à Niamey. Bienvenue dans le numéro de ce soir du forum du studio Kalangu. L'émission qui vous permet de mieux comprendre les questions d'actualité et de société que vous vous posez régulièrement la justice sociale au Niger, quelle contribution de la société civile dans sa promotion est notre thème de ce soir. La journée mondiale de la justice sociale a été célébrée le lundi 20 février dans sa résolution 72/10, en date du 26 novembre 2007 qui a institué la célébration de cette journée. L'Assemblée générale des Nations unies a indiqué que le développement social et la justice sociale sont indispensables à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein même. Selon l'ONU, la justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. L'adhésion de l'État du Niger à cette justice sociale apparaît clairement dans le préambule de sa constitution, mais également dans certains de ses articles qui consacrent entre autres l'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir et l'interdiction de la discrimination sociale sous toutes euh, ses formes. Que signifie la justice sociale Quelles sont ses valeurs quelle doit être la contribution de la société civile nigérienne dans le cadre de la promotion de la justice sociale au Niger. Pour euh, en débattre, nous avons le plaisir euh, de recevoir euh, comme invité M. Mohamed Bachar, juriste et coordonnateur du réseau Espérance. Monsieur le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir. El Haji Idi Abdou, acteur de la société civile également. Alaji, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Eud Kaltani, il est chef de projet à l'ONG Femmes, Action et Développement FAD. Il est par ailleurs membre de l'Alliance contre les inégalités, un regroupement d'organisations nationales et internationales de la société civile, des syndicats et des défenseurs des droits des femmes et des jeunes qui militent contre toutes les formes d'inégalité au Niger. Monsieur Eude Kaltani, bonsoir. Bonsoir. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel Dej. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans ce forum du studio Kalangu ayant pour thème la justice sociale au Niger, quelle contribution de la société civile dans sa promotion. Selon Maître Mahamal Lawli, huissier de justice, la justice sociale a un caractère irréversible consacré par la constitution nigérienne. Nous l'écoutons. Il y a un caractère irréversible de la justice sociale qui est consacré par notre loi fondamentale qui stipule que tous les Nigériens naissent libres et égaux en droit et en devoir. L'État est tenu d'assurer à chacun la satisfaction de ses besoins fondamentaux pour sa survie et pour son épanouissement. Monsieur Mohamed Bacha, juriste et coordonnateur euh, du réseau Espérance, euh, quelle analyse faites-vous de cette valeur constitutionnelle de la justice sociale expliqué par l'huissier de justice, maître Mohamed Loli. Merci euh, Michel Deji pour euh, cette opportunité que vous nous offrez pour euh, opiner sur cette question d'importance. Je salue également mon promotionnel Mohamed Loli, donc qui vient d'intervenir sur ce sujet qui me paraît d'une très grande importance parce que c'est cela qui fonde même en fait l'état du droit. Donc la justice sociale, c'est euh, une euh, vision, c'est une, euh, j'allais dire, ambition de la communauté humaine à pouvoir garantir la justice entre les membres composant la, la communauté. Donc, euh, il vise surtout à assurer la paix, la sécurité pour tous, mhm. parce que on considère que lorsque il n'y a pas de justice sociale, il peut y avoir des risques euh, d'affrontements liés aux frustrations euh, donc que les uns et les autres pourraient ressentir euh, au niveau du fonctionnement global de la société. Mhm. Et c'est pour cela que ça a été traité dès les préambules de la Constitution qui interdit entre autres les questions de conquistion, du mhm. régionalisme, d'ethnocentrisme, du népotisme, donc qui constitue de travers, y compris donc le, le pouvoir personnel. De même, vous retrouvez toujours ces soucis-là de garantie de justice sociale au niveau de l'article 4 et au niveau de l'article 8 de la Constitution, mmh. où euh, donc il est euh, justement euh, fait cas de lutter contre notamment le sexisme, l'esprit de clan, l'esprit féodal, l'enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption la concussion, le trafic d'influence. Tout cela, euh, ça constitue de remparts contre justement d'éventuelles mhm. injustices sociales. Parce que lorsque des, des faits de ces genre-là pourraient se poser au sein d'une communauté, on peut considérer que ça trouve son tapis rouge pour dérouler l'injustice sociale euh, parce que les individus ne seront plus appréciés selon leurs valeurs intrinsèques, selon leurs compétences, mais plutôt selon euh, leur rapprochement avec ceux qui décident ou ceux qui font la promotion euh, donc au sein de la communauté humaine. Donc, le législateur nigérien a euh, euh mis euh, justement euh, ces dispositions-là pour que justement on puisse garantir non seulement l'égalité des citoyens devant la loi, mais également l'égalité devant le service civique, ce qu'on appelle communément égalité en droit et en devoir. Mhm. Simplement, du point de vue euh, de l'application de la loi, il y a un certain nombre de tempérances qui sont observées, donc du fait que euh, euh, l'exécution complète de ces dispositions-là pourrait buter un certain nombre de contraintes. Mm. La première contrainte, elle est liée au fait que quels que soient les critères qui peuvent être établis, il peut y avoir ce qui pourrait être euh, disons, justement ou injustement mhm. défavoriser Et c'est pourquoi, pour le cas du Niger, par exemple, on a fait la loi sur le quota, on a fait la loi sur euh, les personnes handicapées, etc., etc. Les personnes âgées. Voilà, les mm. personnes âgées, pour permettre à ceux qui, malgré les critères stricts qui sont définis, on parvient eh, quand même à les prendre en considération pour passer outre certains critères et les intégrer par rapport à certains processus ou à certaines promotions au sein de la société. Mmh. L'autre euh, aspect également, euh, de tempérance par rapport à la justice sociale, elle est liée à un certain nombre de critères qui sont établis pour accéder à une fonction ou à une responsabilité selon le cas. Par mhm. exemple, on peut être tous des Nigériens, euh, donc de deux sexes, euh, nés au Niger, des mhm. nationalités nigériennes, mhm. mais que du fait qu'il y a un certain nombre de critères qui sont définis, l'un peut ne pas remplir les critères que l'autre remplit. C'est l'article 11 de, la Constitution qui le dit. Il dit l'accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives et aux emplois publics peut être favorisé euh, par certaines euh, des mesures particulières prévues par la loi. Donc voilà un peu mhm. ce que je voulais dire. Maintenant, si on regarde la notion au point de vue international, et quand on parle souvent de la justice sociale, on voit les personnes défavorisées, mhm. c'est-à-dire euh, les personnes qui, pour une raison, pour une autre, peuvent ne pas accéder à un certain nombre de choses et qui, du fait de l'établissement du système tel qu'il est, ils sont défavorisés d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi, à un certain moment, euh, les Nations Unies ont fait ce qu'on appelle la DPD, mhm. donc euh, Legal Employment of the Poor, qui est la démarginalisation des pauvres par les droits, mhm. pour permettre justement à ce que les, les personnes les plus défavorisées, notamment les pauvres, mhm. puissent justement faire prévaloir leurs droits à partir d'un certain nombre de paramètres. On a euh, souhaité à ce niveau une réduction des inégalités. Voilà, mhm. l'emploi décent, la liberté d'entreprendre, la protection sur un certain nombre de considérations sociales mhm. pour en fait réduire les inégalités. Puisque quand on établit les critères, il y a toujours ceux qui ont tout de suite les moyens rapidement de remplir les critères alors que et la plus grande masse, en mhm. réalité, en souffre, elle ne peut pas, dans, les, dispositions euh, telles qu'elles sont établies, pouvoir mhm. remplir un certain nombre de conditions. Récemment, j'ai regardé un documentaire où j'étais choqué de voir un pays comme l'Indonésie, qui est un pays euh, véritablement à grande majorité musulman, qui est d'ailleurs le, plus grand pays musulman, qu'il y ait simplement à mhm. peine quatre familles qui maîtrisent plus de 70% de l'économie nationale. Mhm. Donc vous voyez, si on ne prend pas des dispositions légales par lesquelles on puisse justement limiter les puissances des plus puissants, on risque d'arriver mhm. à des reproductions de ce qu'on appelle les favelas, par mhm. exemple au Brésil et autres, où on voit les gens qui sont extrêmement pauvres et mhm. des gens qui sont extrêmement riches. Donc malheureusement, euh, la démocratie libérale telle qu'elle est vécue dans les pays africains tend à justement installer cet état de fait-là, à mm. installer ceux qui sont énormément riches et ceux qui sont énormément Merci beaucoup, coordinateur. On va mm. aller en profondeur par la suite parce que mm-hmm. quand on n'a pas les moyens, justement, c'est difficile d'avoir accès à certains services. Accès à la justice. La justice, par exemple. Ça fait partie des thématiques. Accès à la justice. Et quand vous n'avez pas d'avocat, naturellement, on ne peut pas vous comparer à un autre citoyen qui est représenté par l'avocat, mm-hmm. alors que vous, on vous met dans un pick-up pour vous amener à la justice et vous ne savez même pas comment vous défendre. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Mm-hmm. Alors, maître euh, Loli, la rappeler. l'article 10 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose que tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir, la même Constitution souligne à son article 12 que l'État assure à chacun la satisfaction des besoins et services euh, essentiels ainsi qu'un plein épanouissement Pensez-vous que ces principes d'égalité sur lesquels repose la justice sociale sont respectés au Niger, c'est-à-dire égalité de tous les citoyens nigériens en droit et en devoir, mais également égalité de chance dans la satisfaction des besoins et services euh, fournis par l'État Merci beaucoup. Cette question de justice sociale, ce n'est pas pour rien. Elle a été consacrée dans les textes internationaux et dans les textes nationaux parce que de la pauvreté extrême, des inégalités extrêmes, de l'injustice extrême naissent des révoltes. Et dès lors que nous voudrions vivre dans un monde de paix, c'est que il faut éviter ces révoltes-là en, consacrant la justice sociale. Cette justice sociale-là, mhm ici et ailleurs. Et c'est pour cela, comme vous l'avez dit, les Nations Unies en 2007 euh, ont consacré une journée et cette journée a été célébrée pour la première fois le 20 février 2009. Mhm. Même si par ailleurs, il faut retenir que les Nations Unies peut-être ont consacré, ils sont spécialistes dans ce genre de journée pour se faire bonne conscience mhm. parce que il y a toujours quelques cinq pays qui ont droit de veto aux Nations Unies au niveau du Conseil ils n'arrivent pas, évidemment, à changer ça. Bon, on suppose qu'ils ont adopté cette journée pour se faire bonne conscience. Pour revenir, effectivement, au Niger, il y a quelques mesures par-ci, par-là, qui sont prises et qui donnent un certain nombre de mesures pour favoriser certaines couches sociales où on fait souvent des discriminations positives pour évidemment permettre à certains qui sont exclus du système, quand même pour qu'ils jouissent de cette justice sociale-là. Et d'ailleurs, notre République, elle a un caractère social. À travers le caractère social, on met l'accent sur la justice sociale. Mhm. Et le pilier de la justice sociale, c'est l'éducation. Parce que c'est l'ascenseur social qui peut permettre à tout le monde. Et si vous avez des restrictions où tout le monde n'a pas accès, à cette éducation-là, c'est que le résultat ne peut être que des inégalités sociales. Et aujourd'hui, ici ou ailleurs, nous vivons des pauvretés extrêmes. Nous vivons des inégalités extrêmes. Mais vous le savez très bien, c'est un petit pourcent des gens qui ont mis la main sur la richesse du monde. Et nous avons un système pratiquement qui fait la promotion de la bourgeoisie. Vous l'avez dit, la justice chez nous, elle a un coût et que tous les citoyens ne peuvent pas s'offrir la justice. Parce que quand vous partez à la justice, vous qui n'avez pas les moyens d'engager un avocat, ben, vous êtes à la merci. Contre l'autre, on découvre de plus en plus quelques avocats qui prennent la dimension sociale. Sinon, l'avocat, il ne fait pas du social, c'est celui qui a les moyens de l'engager qui l'engage. Mhm. Et vous allez me dire, tous les Nigériens n'ont pas les moyens d'engager. Mhm. Et quand vous voyez sur les décisions de justice, il y a toujours les départs là. Tant qu'il y a les départs là, c'est que la justice a un coût et tout le monde ne peut pas souffrir mhm. les services des avocats. Et ce n'est pas une bonne chose. Quand on parle de la justice sociale, c'est de protéger les droits des travailleurs. Aujourd'hui, dans notre pays, actuellement, la situation est catastrophique. Même le dialogue social semble être très difficile entre le gouvernement et les travailleurs. Récemment, parmi les, centrales, 14 se sont coalisées pour poser le problème et dire qu'il y a une rupture de dialogue entre les travailleurs et le gouvernement. Et ça, ça ne relève pas évidemment de la promotion de la justice sociale, parce que parmi les éléments de la justice sociale, surtout vu de l'angle des Nations Unies, il y a cette protection du droit du travail, il y a euh, ce dialogue-là entre les, travailleurs, et malheureusement, actuellement, dans notre pays, ce dialogue laisse à désirer. Deuxième aspect, deuxième élément de cette justice sociale, c'est la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est lié à l'éducation. Tout le monde n'a pas accès à l'éducation. Et la jeunesse est véritablement abandonnée à elle-même. Pourtant, l'article 24 de la Constitution dit la jeunesse est protégée par l'État et, les, collectivités contre l'exploitation et, l'abandon. Ça mhm. veut dire si vous abandonnez cette jeunesse-là, est un vendeur d'illusions va l'exploiter. Mhm. Et quand il l'exploite, c'est à d'autres fins. Mhm. Et vous voyez, c'est ce qui se passe euh, avec les groupes terroristes parce qu'ils viennent vendre leur illusion à des, des jeunes désemparés hum. qui ont perdu tout espoir et qui vont en fait euh, s'enrouler pour faire du mal à leur propre famille, à leur propre population. Et seule cette justice sociale peut garantir ça. Hum. Ça veut dire dès que vous avez des jeunes abandonnés à eux-mêmes, les physiciens disent que le liquide n'a pas de forme propre. C'est la même chose pour la jeunesse. La jeunesse ne prend que ce qu'on lui a dit. Elle est esclave de l'environnement. Si ce pilier véritable de la justice sociale qui est l'éducation et que ces jeunes n'ont pas accès à l'éducation, c'est qu'ils n'ont pas aussi accès au marché d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le travail qui paye, c'est le travail moderne où il faut avoir un diplôme. Et celui qui n'a pas accès à l'école, il n'a pas ce diplôme-là. Et celui qui n'a pas ce diplôme, il ne peut pas accéder parce que l'emploi aussi est vu de l'angle des Nations Unies comme un élément qu'il faut prendre en compte dans la justice sociale. Et quand vous regardez aujourd'hui dans le monde, les inégalités sont crières à l'intérieur d'un pays. Vous allez voir l'inégalité, les inégalités qui existent entre villes, vous allez voir les inégalités qui existent entre les gros centres et les campagnes. Et vous allez voir les inégalités qui existent entre pays. Et ça, évidemment, on n'arrive pas. Ça fait la première journée, c'est depuis 2009. Et on a connu de l'inégalité que ces derniers moments. Les inégalités sont criantes. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, même à plus forte raison, parler d'emploi de ça. L'école est en panne. Quand vous partez dans les hameaux, dans les campagnes les plus reculées, il n'y a pas d'éducation. Les changements climatiques ont fait que maintenant, il pleut, il peut même faire une inondation, mais souvent, la pluie n'est pas répartie dans le temps et dans l'espace. Vous avez une crise même de la terre. Et ce sont des problèmes comme ça qui aggravent. Parce que les conflits aggravent cette injustice sociale. Et c'est ça qui fait que malgré ce qu'il y a dans notre constitution, malgré les textes auxquels le Niger est parti, la situation aujourd'hui des inégalités est claire dans notre pays. C'est donc euh, un problème qui est là, posé. On vous comprend bien, d'où cette euh, inquiétude à travers euh, vos propos. Merci beaucoup, Alage. Monsieur Eud Kaltani, chef de projet à l'ONG Femmes Action et Développement et membre de l'Alliance contre les inégalités, un regroupement d'organisations nationales et internationales de la société civile, des syndicats et des défenseurs des droits des femmes et des jeunes qui militent contre toutes les formes d'inégalité au Niger, on l'a vu quand on parle d'inégalité, on ne peut pas parler de justice sociale. Selon ce travail que vous avez à faire au niveau de votre alliance, quelles sont les différentes formes d'inégalité les plus répandues au Niger Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour euh, cette opportunité que vous donnez à l'ONG FAD pour partager ses expériences euh, en ce qui concerne les actions qu'il mène dans la lutte contre les inégalités. Quand on parle d'inégalité, c'est lorsqu'il y a de déséquilibre entre les citoyens. Mhm. Tout à l'heure, si j'ai bien suivi les propos du euh, euh, coordonnateur, de Réseau Espérance sur euh, l'article 10 de la Constitution qui dit mhm. que tous les citoyens naissent libres et restent égaux en droit et en devoir. Tous les citoyens nigériens naissent libres et égaux en, droit, et en devoir. C'est ce que dit l'article 10, de la Constitution. Mhm. Donc maintenant, est-ce que dans la pratique, les citoyens sont vraiment libres il reste égaux en droit en devoir. Je ne pense pas. C'est justement à cause de ça, on vous demande, selon le travail que vous avez eu à faire, quelles sont les différentes formes d'injustice sociale que vous, vous avez constatées ou les inégalités, puisque votre travail porte sur euh, les inégalités. Exactement. Quand on parle d'inégalité, il y a plusieurs formes d'inégalité. Et je pense que mon prédécesseur a essayé d'aborder certaines, certaines formes, à mhm. savoir le manque d'emploi pour les jeunes. C'est une mhm. forme d'inégalité contre la jeunesse. Mhm. Et nous savons que la population nigérienne est euh, majoritairement jeunes et féminines. Donc, ces formes d'inégalité touchent plus cette couche, les femmes et les jeunes. Si je prends le cas, le, cas sur la question des femmes, la participation politique des femmes, nous voyons ici au Niger que quand on parle de participation politique, les femmes ne sont pas tellement représentatives. Alors que l'article 10 dispose que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. De la même manière que l'homme. L'article 4 va d'ailleurs euh, dans le sens du sexisme lorsqu'on veut vouloir faire croire qu'une femme ne peut pas exercer une activité parce qu'elle est femme. Et il y a justement une loi sur le quota adoptée en 2020, révisée en 2014 et en 2019 euh, et à travers la dernière révision qui date de 2019, euh, le quota pour les mandats électifs des femmes est passé de 15 à 25 pour les postes de nomination, c'est passé de 25 à 30 Il faut rappeler qu'aux dernières élections, en tout cas à l'Assemblée nationale, on a pu avoir euh, le quota, mais c'était dans le gouvernement qu'il y a eu des difficultés. Exactement. Donc le même droit qui est reconnu à un homme d'être élu, d'être candidat et d'être aussi électeur, ce mm-hmm. même droit doit être aussi reconnu aux femmes, mm-hmm. parce que les femmes aussi sont des citoyens. Mm-hmm. Donc, mettre de côté cette euh, couche de la société, c'est un déséquilibre. Et vraiment, c'est aussi une forme d'inégalité qu'il faut vraiment corriger. Donc, Ici, dans le cadre des actions de l'ACI, c'est-à-dire l'Alliance contre les inégalités, qui est une initiative des organisations de la société civile militant contre toutes les formes d'inégalité au Niger, mm. ces questions sont abordées. Il y a combien d'associations et ONG dans la nous coalition avons Actuellement, nous avons une vingtaine d'associations et ONG qui font membre de l'ACI, de mm. l'Alliance contre les inégalités. Internationale. Nationale et internationale. Mm-hmm. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment porter haut les questions d'inégalité dont souffrent la population, mhm. dont souffrent les femmes. Vous avez parlé de la discrimination à l'égard des femmes, vous avez parlé de la question des jeunes, mais est-ce qu'il y a d'autres inégalités que vous avez pu constater à travers euh, votre campagne Je rappelle que vous avez lancé une grande campagne à la veille des élections générales euh, passées. Exactement. Dans les actions menées par euh, l'Alliance contre les inégalités, en 2020, mhm. la CI à savoir l'Alliance contre les inégalités, a été présentée. Ainsi, la campagne contre les inégalités aussi a été lancée dans un contexte électoral. Et dans ces actions, il y a un manifeste qui a été élaboré mhm. pour le faire signer à tous les candidats aux différentes élections. Mm. Nous savons que la période de novembre 2020 jusqu'en février 2021, c'était la période On se rappelle de votre manifeste. Le manifeste demandait quoi en réalité Le manifeste retraçait dix formes d'inégalité les mm. plus criards au Niger mm. que les candidats qui seront vraiment appelés à gérer, à, comment on appelle, à gouverner puisse vraiment avoir un œil pour que ces inégalités puissent être vraiment réduites au sein mhm. de la population. Vous pouvez les citer, ces différentes inégalités, entre autres. Vous avez parlé, par exemple, de la discrimination à l'égard des femmes, Exactement. la protection des jeunes, la scolarisation, de, la, jeune fille. Elle en fait partie. Elle en fait aussi partie. la question si on de la fait la promotion de la scolarisation de la jeune fille, eh. c'est dans le sens de la promotion des droits des femmes également. Exactement. Quand mm. souvent on dit que les femmes ne sont pas représentatives, on tient compte de, de la la faible scolarisation des jeunes filles. Est-ce qu'il y a d'autres euh, inégalités que vous avez dû constater qui ont été énumérées dans le manifeste Nous avons aussi la question de l'insécurité, parce qu'à mhm. cause de l'insécurité, beaucoup d'écoles sont formées, mhm. alors que c'est un droit du citoyen d'être scolarisé, d'être instruit. Donc, vous avez demandé aux futurs dirigeants à l'époque euh, d'œuvrer pour euh, asseoir la sécurité. La sécurité des, et cela contribuerait à, avoir des écoles qui fonctionnent bien. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed Bachar, juriste euh, et coordinateur du réseau Espérance, quels sont les objectifs que vise la justice sociale dans un état de droit et est-elle suffisamment promue le droit positif Merci pour cette question quand même tout à fait euh, euh, pertinente parce qu'elle oppose euh, ce que prévoit les textes et ce que démontre la pratique quotidienne. Les textes, on les a rappelé tout à l'heure, notamment l'ensemble du corpus international qui renvoie à la Déclaration universelle des droits de l'homme que tout le monde connaît euh, nous avons un certain nombre euh, aussi de textes euh, régionaux qui luttent contre toutes ces discriminations-là et ces inégalités. Vous avez par exemple la charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Vous avez donc un certain nombre de textes aussi internationaux relatifs justement aux droits euh, économiques, sociaux et culturels, donc qui devaient euh, non seulement promouvoir l'égalité donc des citoyens, mais également lutter contre euh, toutes les formes de discrimination. Euh, discrimination politique, discrimination sociale, discrimination culturelle. Donc, puisque les uns ont des liens avec les autres. Donc, quand on regarde les textes, tout à l'heure, j'avais évoqué non seulement donc ce qui dit notre préambule, qui fait mhm. partie intégrante donc mhm. du corps constitutionnel, parce que euh, le, préambule de la Constitution peut être invoqué devant toute juridiction. Donc, il a la même valeur que le texte mhm. de la Constitution elle-même. Et or, dans ce corpus-là, justement, du préambule, l'ensemble, justement, mhm. de ces, de ces normes-là, internationales et, régionales, et sous-régionales ont été évoquées, donc devaient être respectées. Mhm. Ce Vous qui avez évoqué... dans le préambule, permettez-moi de le rappeler, c'est mhm. nous, peuple nigérien souverain, réaffirmons notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. Malheureusement, le système électoraliste et de la démocratie libérale telle que ça se passe, à lui-même dans son fondement est correctif. Mhm. Puisqu'il faut, euh, il faut promettre quelque chose à quelqu'un pour qu'il mhm. vienne avec vous. Mhm. Quand vous voyez un fonctionnaire venir, c'est une nomination qu'il cherche. Quand vous voyez un homme d'affaires venir, c'est un marché qu'il veut. Quand vous voyez un délinquant venir, c'est une protection qu'il cherche. Donc, dans tous les cas, c'est lié à quelque chose. À l'heure actuelle, notre société bute cette, euh, euh, difficulté majeure. Mm. Puisque chaque fois, euh, quand on parle, on dit que nous sommes des musulmans, mm. à grande majorité. Mm. Mais la religion musulmane nous dit que Al-Adl Asas al-Mulk. Al-Adl Asas al-Mulk. Donc le fondement même du pouvoir, c'est d'abord la justice sociale. Mm-hmm. Si vous ne pouvez pas garantir la justice sociale, ne prenez pas le pouvoir, mm-hmm. vous allez en enfer. Parce que simplement, c'est la force de tout le monde mm-hmm. qu'on réunit pour confiez cette force-là entre vos mains. Mm. Et si vous l'exercez seulement à votre profit et au profit seulement et uniquement de votre famille et de vos courtisans, vous irez en enfer. Parce que tout simplement, vous aurez trahi un engagement qui est celui de prendre en charge le problème collectif pour en faire le vôtre. Mm. Et c'est en échange de cela que l'ensemble de la communauté vous prend en charge. C'est ça les notions des indemnités, de tous les avantages qu'on vous donne. C'est pour vous mettre à l'abri du, besoin et de veiller à surveiller l'intérêt collectif et l'intérêt de chacun dans la justice. Et or, malheureusement, dès que vous avez le pouvoir, vous faites d'abord la promotion de ceux qui vous ont élus, ensuite de ceux qui sont vos courtisans et enfin de ceux qui sont de votre famille. Et aujourd'hui, ouvertement, on voit même des pères et des fils dans les mêmes services à des niveaux de responsabilité élevés. C'est ce qu'on appelle le népotisme. Mhm. Alors que par le passé, même dans les régimes euh, dictatoriaux, on n'a pas vécu des situations de ce genre. Et vous voyez, malheureusement, la société est arrivée à un niveau de décrépitude tel que euh, quand vous évoquez ce sujet-là euh, <laughs> avec certains de, de, nos concitoyens, ils trouvent même que vous êtes un peu fou au lieu de chercher vous à, faufiler pour, pour au moins avoir votre mm-hmm. part, vous continuez à, <laughs> dénoncer, quelque chose que vous, ne pouvez pas changer. Vous, voyez, donc, vous voyez, et en fait, la perte des valeurs la perte des personnages de référence. Et c'est pourquoi vous voyez, quoi qu'on dise à certains personnages jusqu'ici, tellement qu'ils ont marqué les consciences collectives par rapport à leur comportement de justice, à leur euh, engagement à vouloir faire va, euh, valoir l'intérêt général en toutes circonstances, et jusqu'ici, on évoque leur nom. Mhm. Et malheureusement, ceux-là avec lesquels on s'est battu depuis les années 90 pour amener ce que nous pensons être le meilleur système hein, politique au monde, qui est la démocratie, c'est mhm. eux qui viennent reproduire le, la plus, le plus grand népotisme qu'on n'a jamais connu. Mhm. Donc, il y a un problème de valeur de référence. Il y a un problème d'éthique il y a un problème de morale publique qui se pose. Donc, quelle que soit la beauté des textes mhm. que nous pourrions avoir, tant que le comportement des acteurs publics n'aurait pas changé positivement dans le sens justement de faire promouvoir cette justice sociale-là, on ne pourrait pas changer grand-chose. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a une tricherie à ce niveau-là. Parce que non seulement je vous ai rappelé Al-Adul Asas al-Mulk, mais je vous ai rappelé aussi le principe que la minkum hatta Votre foi ne pourrait effectivement s'affirmer que lorsque vous voudrez pour vous-même ce que vous voudrez pour votre prochain, votre mhm. frère. Or, quand on se rencontre dans les activités de service public, normalement, il y a un certain nombre de règles qui régissent donc les relations entre les citoyens, des règles qui sont absolument civiles et mhm. civiques et malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez un peu le fonctionnement de nos administrations, c'est des fonctionnements népotiques, c'est des fonctionnements basés sur le larbinisme, sur le copinage, sur des relations personnelles, mhm. des choses qui sont totalement en déphasage avec les règles de fonctionnement des services mhm. publics telles que nous les connaissons par le passé. Donc j'ai dit, pour que nous parvenions à faire euh, donc ce que prévoit déjà les textes, puisque les textes, non seulement ils les prévoient, mais ils les sanctionnent aussi, mhm. puisqu'il y, a des, il y a des euh, règles, par exemple... L'article 4 parle des sanctions, justement. <laughs> Voilà. Mais là, il faut aller dans le code pénal pour voir les différentes sanctions. Donc, vous voyez, la, corruption, etc., avec toutes les institutions qu'on a mises sur le pied pour lutter contre ces différents phénomènes-là, ils font de leur mieux, hein. il faut le reconnaître. Mm. Il y a des de situations quand elles sont portées devant les juridictions, on voit quand même il y a une certaine célérité dans les traitements. Mais on constate de l'autre côté qu'il y en a beaucoup d'autres qui curieusement on les voit pas, hein, qui curieusement et puisque par exemple la question d'enrichissement illicite et euh, qui est la conséquence en fait euh, la plus pernicieuse de la corruption, elle est évidente. Mais si on vous a bien compris, mm. j'ai dit, Abdou, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait On dénonce, on dit que c'est contre la religion, mais on pratique ça euh, dans la société. D'abord, la religion interdit ça. Les textes que nous-mêmes nous sommes donnés ont interdit ça. Les textes à travers le monde auquel le Niger est parti ont interdit ça. Et vous voyez, tout ce qui a été interdit de la conscience, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Hmm. Le népotisme. C'est la première fois où les gens mettent leur... Au vu et au sous de tout le monde. Oui, là, je crois et que nous sommes la fin de cette Il y a quelques gens qui comprennent rien. Comment mettre fin à tout cela Vous savez, c'est l'impunité. Tous ceux qui ont voit là est interdit par la Constitution. Et la Constitution a pris des dispositions pour que des lois répriment ça. Mais du fait de l'impunité, on ne réprime pas ça. Donc, c'est un problème qu'on a. Euh, Bachar l'avait souligné. Et ça fait mal que dans le cadre de la morale et de l'intégrité, c'est quelqu'un qui a animé un régime d'exception qui est la référence. Ceux-là avec lesquels on s'est battu pour ces valeurs-là, quand ils sont arrivés, ils font pire que dirait le régime d'exception. Mais mhm. l'impunité, c'est dû à quoi mhm. C'est le système politique qui est d'abord foncièrement corrompu. Vous ne votez pas pour quelqu'un par idéal. Vous votez parce que vous traînez des casseroles. Et vous courez chez celui qui a gagné les élections en contrepartie de votre soutien, il vous garantit l'impunité. Maintenant, dès lors qu'au plus haut sommet, les gens placent leurs enfants, ben, tout le monde fait ça. Et maintenant, c'est devenu la mode. Neveu, nièce, fils, tout le monde va. Au moins, du point de vue genre, il y a le quota. Le quota vise les deux sexes, évidemment. Mais il n'y a pas une loi pour les jeunes. Les seuls jeunes maintenant que vous voyez, c'est leurs enfants, qui sortent de nulle part. Personne ne les connaît. Et ils sortent, et quand vous parlez, on dit Ah, ils ont quel diplôme ils ont Ils ont, un diplôme plus que qui Ils sont docteurs. oui si, si. <laughs> ils sont docteurs, mais ils, ils ont fait quoi avec leur doctorat Qu'est-ce qu'ils ont fait au pays avant l'arrivée de leur papa mm-hmm. Rien, personne ne les connaît. Ils n'ont rien fait de sérieux pour le pays. Alors, j'ai veut que vous convenez qu'il faut avoir des bras longs, comme disent certains. Mais évidemment, c'est nommé à des postes C'est l'expression des inégalités. Un autre mhm. baromètre de la justice sociale, c'est le droit aux soins. Il y a combien de Nigériens qui ont droit aux soins aujourd'hui Vous partez ici, à l'hôpital. Mais accéder même, c'est un problème. D'abord, on va vous dire que le médecin ne reçoit pas plus de 20 numéros vous allez voir des pauvres citoyens qui vont à 4 heures à l'hôpital et ils ne trouvent pas le numéro. faut aller à l'hôpital. Mhm. faut aller au grand centre là. Vous allez voir comment le pauvre... Je comprend bien, il y en a qui viennent même de l'intérieur du pays. Donc la pratique aujourd'hui, malgré mhm. toutes ces mhm. professions de foi, malgré tous les textes et du fait de l'impunité, la pratique c'est l'aggravation des inégalités. Que préconisez-vous C'est l'aggravation, mais c'est une conscience nationale. Mhm. collectif, parce que, comme on dit, celui qui a créé le problème ne peut pas régler le problème. Donc, ne comptez pas sur les politiciens qui trouvent leur compte. Maintenant, c'est aux populations qu'ils comprennent qu'ils sont les vrais détenteurs du pouvoir. Et s'ils sont conscients, ils peuvent amener les gouvernants à aller là la direction qu'ils veulent. Ils peuvent amener le gouvernant à respecter. Ce qu'on veut ici, c'est le respect des textes. Et malheureusement, du fait de l'impunité, ce texte-là, on ne les respecte pas et on les viole allégrément au vu et au su. Donc, il appartient au souverain, c'est-à-dire le peuple, mhm. les citoyens, de comprendre. Parce que ce que j'ai dit, vous savez, le destin, c'est pour tout le monde ou ce n'est pour personne. C'est pour cela la nécessité que ces dirigeants comprennent la nécessité de la justice sociale. Parce que la justice sociale, c'est elle qui désamorce mhm. tous les problèmes. De l'injustice, de la pauvreté extrême, des inégalités, naissent les révoltes. Mhm. Donc, il appartient aux jeunes de comprendre la nécessité et vraiment de, d'arrêter cette impunité-là et d'appliquer les textes que nous-mêmes nous sommes donnés, les textes auxquels le Niger est, parti. Mhm. C'est ça qui va nous sauver. Il faut donc mettre fin à l'injustice. À euh, l'injustice, parce que c'est juste une application des textes. si on est capable d'appliquer, l'appartient appartient au peuple il faut une véritable prise de conscience. Voilà, des citoyens, parce que ça mhm. dépend d'eux. C'est les vrais détenteurs. Voilà, merci beaucoup, monsieur, représentant de l'ONG FAD et de la coalition de lutte contre les inégalités. Quelle contribution la société civile peut apporter dans le cadre de la promotion de cette justice sociale et la lutte contre les inégalités dans un état de droit Merci beaucoup pour cette euh, question. Je pense que les organisations de la société civile doivent continuer à dénoncer parce que sans le dénoncement, c'est comme si nous côtoyons ce qui se passe. Ces inégalités ne vont jamais cesser si la société civile se taise. Mmh. Donc, raison pour laquelle la société civile doit continuer à manifester de façon pacifique pour mmh. dénoncer ces genres d'inégalités. Et je dirais toujours dans le cadre de, de cette euh, Alliance contre les inégalités, une campagne a été menée l'année mm. dernière du 19 octobre au 19 novembre, mm. une campagne digitale pour amener les jeunes à comprendre et aussi que les femmes à comprendre que la, question des inégalités, c'est une question qui perdure. Et sans, sans, sans, une action vraiment collective, il n'y aura pas une solution. Il faut donc agir. Hein. Exactement. Et le fait de toujours de dénoncer, un jour, il y aura vraiment le changement. Mais si on se taise, il n'y aura pas de changement. Donc, le fait même de dénoncer, c'est une forme de plaidoyer qu'on nous sommes en train de faire pour, même si aujourd'hui, en tant que, jeune, je ne suis pas touché par cette question d'inégalité, au moins un membre de ma famille est touché. Donc, et si je me taise, comment il y aura de changement Donc, c'est à travers cette dénonciation, à travers euh, cette forme de plaidoyer que vraiment les questions, ces questions seront vraiment touchées par euh, nos, nos, décideurs pour que le changement puisse être vraiment effectif. Mhm. Merci beaucoup. Monsieur Mahmoud Bachar, euh, juriste euh, et coordonnateur du réseau Espérance, quel est aujourd'hui votre rôle en tant qu'organisation de la société civile nigérienne dans le cadre de la promotion de la justice sociale Est-ce que vous convenez, comme Monsieur Eud, qui représente l'ONG FAD, que vous avez une contribution importante à apporter dans le cadre d'une bonne effectivité de cette justice sociale au Niger oui, évidemment, ce qu'il a dit est, vrai. Et, les dirigeants sont à l'image euh, de ce qu'ils dirigent, mhm. puisque tant que euh, le les, peuples est passif, il est quelquefois même euh, hypocrite ou fataliste par rapport à certaines questions, évidemment, les, choses vont perdurer. Et, et, je pense que pour ce qui nous concerne, les organisations de la société civile, il faut aller au-delà euh, donc de, des campagnes, comme il dit, euh, blin blin euh, avec digital, financement, mhm. tout ça là. Il faut se détacher justement de cette dépendance là, mhm. parce que nous avons l'handicap aussi, les organisations de la société civile parfois, de ne pas pouvoir mener des actions d'envergure et de manière constante sur certaines thématiques que lorsque il y a des accompagnements euh, donc de partenaires. Et donc là, je pense que c'est une euh, c'est une grosse faiblesse qu'il faut euh, devoir surmonter si on veut réellement impacter sur euh, les choses. Et quand nous sommes venus, il dit comme moi, je suis convaincu que personne ne nous a donné un franc pour mettre le carburant dans nos véhicules ou pour pour venir en débattre. C'est un engagement citoyen. On considère qu'on peut le faire. et c'est une contribution à l'éducation de, la nation, de la mhm. démocratie dans notre pays. Mhm. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous paye pour faire ça. Mhm. Et or, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup euh, d'organisations de la société civile qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit sans ces financements-là. Là, je mhm. pense que c'est une faiblesse qu'il faille euh, euh, corriger parce que il faut qu'il y ait un engagement civique fort. Je pense que il faut que nous soyons à mesure de conscientiser nos concitoyens mm. autour de cette question et de faire surtout euh, un plaidoyer pour la promotion des valeurs de référence. Mm-hmm. Aucune société ne peut évoluer sans valeurs de référence. Vous avez vu, eh, il y a juste euh, deux ans de cela, on a, on a tenté de, faire coup d'État à Erdogan en, mm-hmm. en Turquie. Mais c'est des citoyens civils qui sont sortis bloqués des chars. Ils ont empêché un coup d'État parce que l'événement est d'ailleurs commémoré voilà, chaque Ils, considèrent que la démocratie, elle est la leur. Mhm. Hein et que parce qu'elle est la leur, il faut qu'ils la défendent par eux-mêmes. Nous allons terminer. Alhaji Idi acteur de la société civile également. Est-ce que vous avez des attentes euh, particulières en vue d'une meilleure contribution de la société civile nigérienne dans le cadre de la promotion de la justice euh, sociale au Niger pour l'intérêt de tous, euh, puisque c'est de cela qu'il s'agit Oui, la justice sociale parle des droits. Et nous, notre rôle est de promouvoir les droits. Donc, le principal rôle de la société civile ici, c'est la construction de la citoyenneté pour aboutir à une masse critique qui est capable d'indiquer la direction à suivre au gouvernement. Tant qu'on n'a pas cette masse critique, c'est qu'on va tourner en rond. Et pour faire ce travail, Bachar a raison, il faut qu'on soit un exemple. Si nous critiquons les gouvernants, c'est parce qu'ils ne sont pas un exemple. Pour que notre voix soit audible, il faut que nous soyons un exemple. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Chers auditeurs, nous sommes au thème de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème la justice sociale au Niger, quelle contribution de la société civile dans sa promotion. Les invités à ce forum ont eu à expliquer leur euh, inquiétude par rapport à cette question de justice euh, sociale euh, au Niger, des inquiétudes en lien avec l'égalité des citoyens l'égalité en droit, mais également en devoir. Il dénonce certaines pratiques euh, telles que la concussion, la corruption, le népotisme, etc. et appelle euh, à une prise de conscience collective euh, afin que la justice sociale soit véritablement une réalité au Niger pour l'intérêt de tous. Nous disons merci à nos trois invités, Mahanman Bacha, juriste et coordonnateur du réseau Espérance, Ajidi Diabdou, acteur de la société civile également, Monsieur Eud Kaltani, chef de projet à l'ONG Femmes Action et Développement et membre de l'Alliance contre les inégalités, un regroupement d'organisations nationales et internationales de la société civile, des syndicats et des défenseurs des droits des femmes et des jeunes qui militent contre toutes les formes d'inégalité au Niger à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji à la technique Mustapha Ayuba. Merci aux 52 radios partenaires de Studio Kalango qui diffusent ce forum dans toutes les huit régions du Niger. Merci également à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.